Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette euh, émission. Ce soir, euh, le thème du forum porte sur fraude aux examens en République euh, du Niger. Comment gérer et prévenir les cas Au Niger, à l'instar de certains pays, la fin du premier et du second cycle de l'enseignement secondaire général est sanctionnée par un examen. Il s'agit de celui du brevet d'études du premier cycle BEPC du brevet technique supérieur BTS d'État et du baccalauréat. Ces dernières années, l'organisation de ces examens connaît des perturbations liées à la corruption et aux infractions assimilées comme la fraude et les Cette année, s'agissant des examens du baccalauréat, plusieurs cas de fraude ont été décelés malgré les mises en garde et les mesures prises. En conséquence décelée, des vagues d'arrestations ont eu lieu dans les rangs des candidats, notamment à Niamey et à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui explique euh, cette récurrence des fraudes aux examens Quelles sont les conséquences Comment se fait la gestion des cas de fraude Comment prévenir et mettre fin à ces fraudes au Niger Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Isifu Arzika, vice-président ASSO EPT. Bonsoir Isifou. Elhaja Yakuba Yaye, président de l'association des parents d'élèves au titre de la région du Niamey. Bonsoir Elhaja Yakuba. Bonsoir. Et Hassan, chargé à la presse de l'Union des scolaires du Niger USN. Bonsoir Efred. Bonsoir à vous. La présentation est assurée par Fatih Zakari. Je commence par euh, Arzika, vice-président de laso EPT. Qu'est-ce qu'on entend par fraude euh, plus précisément en milieu scolaire Ok, merci beaucoup Studio Kalangou, merci madame. Alors, euh, euh, définir la fraude de région, il faut le faire de manière simple et accessible à tout le monde de dire euh, pratiquement toutes, euh, euh, tous les types de fraudes et toutes les techniques qui pourraient être amenées les, les élèves ou même les enseignants pour contourner la mise en œuvre exacte des épreuves des examens, de la soumission au candidat jusqu'à la correction. Parce que la fraude va jusqu'à la délibération. Elle est à plusieurs niveaux. Elle est au niveau de la gestion même des, des épreuves, mhm. où on peut avoir des fuites. Et à ce niveau-là, ça ne pourrait être quel niveau de responsabilité, c'est-à-dire ceux qui sont autour de ces fichiers, de ces épreuves qui pourraient peut-être soutirer des copies pour aller, en tout cas, et les mettre sur la place publique, peut-être mhm. souvent moins, même quelque chose. Mhm. L'autre étape de la fraude, c'est lorsqu'on soumet effectivement les épreuves aux enfants, mhm. aux élèves, aux candidats dans la salle. Ils peuvent avoir plusieurs astuces pour tricher dans les cours ou avoir les informations relatives aux bonnes réponses provenant d'un tierce. Donc, chose qui ne serait pas leur propre effort. Le tierce peut être une personne, ça peut être aussi un support, animé ou inanimé. Ça mhm. pourrait être un papier, ça pourrait être le corps même du candidat, mhm. et ça pourrait être les bavettes ou même donc euh, les téléphones. Et ça peut être aussi un candidat ou un voisin qui peut le transmettre à travers des signes. Maintenant, au niveau de la correction, la fraude considérer effectivement aussi à faire tout pour éviter que la vraie note de l'élève arrive en tout cas, celui-ci, surtout, il a des mauvaises notes. C'est où la substitution des copies. Mhm. il, arrive qu'on trouve des astuces pour substituer les, vraies copies de l'enfant pour faire en sorte, effectivement, qu'il puisse passer alors qu'il ne le mérite pas. Mhm. Enfin, ça, c'est entre autres. Maintenant, l'autre fraude aussi, c'est les correcteurs. Il y a mhm. des codes par lesquels, souvent, un certain nombre de responsables de candidats peut-être chef d'établissement, peut-être promoteur des écoles privées, peut ainsi de suite. Elle pourrait faire en sorte que, au niveau d'un jury, que les copies soient identifiées par un signe ou un vide entre paragraphes ou en tout cas un signe de manière que quand les correcteurs vont arriver, ils sauront de quelle vague de candidats il s'agit et les notes seront complaisantes. Maintenant, l'autre fraude ou infraction qu'il faut dire, c'est au niveau des décideurs politiques. Et ça, c'est le gouvernement qui les fait parce qu'effectivement, <laughs> il a le pouvoir de les faire. C'est lorsqu'on sort les vrais résultats et que ça devient catastrophique, il arrive qu'on les modifie. Mhm. Et souvent, ce n'est pas au fait pour faire du bien à l'école. Les plus souvent, c'est pour soigner sa propre image, mhm. pour qu'on ne dise pas qu'à notre temps, on a fait des résultats catastrophiques. Donc, on fait des repêchages, on fait des repêchages jusqu'à des niveaux où, vraiment, du point de vue de la qualité, on porte atteinte au principe d'un système éducatif digne de ce nom. Et on nous produit du n'importe quoi comme élève breveté, comme élève bachelier, et on attend qu'on fasse un miracle pour les changer, alors que les conditions pour le faire ne sont pas réunies. Alors, vraiment, la fraude, elle concerne tout le monde. Il n'y a pas que les candidats, il n'y a pas que les enseignants. En fait, c'est toute la chaîne qui va de, la, de la conception de l'épreuve jusqu'à la proclamation. Oui, euh, Issoufou Arzika, est-ce qu'ici au Niger, il y a des tests qui réglementent l'organisation des examens Tous les examens sont réglementés par des textes. Je ne prétends pas les connaître tous, notamment avec la réforme du bac. Nous sommes partis à l'OBN, nous avons pris tous les textes. Mhm. Dieu merci. Vraiment, on remercie l'OBN qui a mis à notre disposition tous les textes en format donc PDF. Mhm. Et ça, Dieu sait que c'est beaucoup de textes. donc, je peux affirmer effectivement que les textes existent pour réglementer les, les examens. Peut-être qu'il y a des insuffisances ou des injustices parce qu'il y a des principes quand même, et moi je crois, de droit sacré et personnel qu'il ne faut pas émousser à cause du confort de l'administrateur mhm. qui n'est pas capable de répondre aux réclamations, entre autres exemple, aux mhm. réclamations d'un candidat qui croit qu'il n'a pas ici qu'il mérite. Mhm. Or, il y a des barrières à cela, mhm. enfin, entre autres. Nous pensons à notre niveau que c'est une injustice. Euh, j'informe donc à euh, nos auditeurs euh, que nous avons invité l'Office du baccalauréat du Niger, l'OBN, à travers une correspondance. Donc euh, l'Office euh, n'a pas jugé important de participer à notre euh, forum. Yacouba Yaye, du bureau régional des parents d'élèves au titre de la région de Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de l'organisation des examens du BPC et du baccalauréat au Niger eh, Merci Silio Kalangu, pour l'opportunité que vous nous donnez eh, de débattre de ce pléau qui est la fraude aux examens au concours ici au Niger. Euh, nous, euh, au niveau, de notre structure, vous le savez très bien, nous sommes, euh, et d'ailleurs comme beaucoup de structures, la fraude, elle est condamnable. Maintenant, il est bien dit que c'est une stratégie de contournement des mécanismes officiels et légaux dans la préparation des examens et concours. Donc, à ce titre, mhm. on ne peut que condamner la fraude sous toutes ses formes. Elle est multiforme. Mhm. Il y a plusieurs sortes de fraudes, comme l'a dit le président mhm. et, qui vient de, finir son, intervention. Mais euh, maintenant, euh, comment la combattre et nous verrons ça certainement après. et comment trouver des solutions. Parce que nous, parents d'élèves, mhm. nous sommes forcément contre cette fraude. Mhm. Et nous appelons les uns et les autres, en tout cas, à éviter que leurs enfants puissent frauder lors des examens. Pour cela, même l'année passée, euh, au niveau de la région, des sensibilisations ont été menées dans les établissements scolaires pour attirer l'attention des enfants sur la fraude. Et Fred Hassan, chargé euh, à la presse à l'USN, euh, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui euh, de la manière dont s'organisent les examens au Niger Merci beaucoup, Studio Kalangou, de nous avoir donné l'opportunité de s'exprimer sur vos antennes. J'ai dit par rapport à ces phénomènes qui caractérisent de plus en plus notre société, notamment la fraude, c'est qu'il faut d'abord euh, la définir comme une, toute action en réalité répréhensible à la loi. Et au niveau de l'ISN, étant mhm. une organisation avant-gardiste qui a même en réalité contribué à la démocratisation de notre pays. Nous ne saurons cautionner une quelconque manière de fraude, peu importe si par ailleurs elle paye ou il peut y avoir nos militants qui peuvent se retrouver mhm. dans ces phénomènes. C'est malheureux, moi je l'ai toujours dit, c'est qu'il faut véritablement appliquer la loi dans mhm. toute sa rigueur. Parce que les textes existent. Mhm. Tout à l'heure, mes prédécesseurs en ont parlé, il existe des textes. C'est parce qu'on ne sanctionne pas évidemment que ces phénomènes euh, s'accentuent et se mhm. développent d'année en année. Si par ailleurs, euh, il y a certains de nos militants qui sont présumés dans cette euh, situation, qui sont accusés, mhm. c'est que la situation est pendante devant les tribunaux. Mhm. Mais nous, notre point de vue par rapport à ces phénomènes, au-delà, parce que ce n'est pas cette année ça a commencé, il y a toujours eu ces phénomènes et c'est récurrent de notre société. Au-delà même de l'organisation des examens, on voit encore sur d'autres domaines, c'est toujours la fraude, même si celle-ci est multidimensionnelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, nous, la jeunesse scolarisée, mm-hmm. nous, sommes, nous sommes en mal d'inspiration. Parce que nous voyons nos oncles, nos tontons, ils détournent des moyens de l'État. Facilement, ils font de ça une culture dans la gestion de l'État, dans la gestion des affaires publiques. C'est normal que les enfants de ces derniers-là mhm. puissent aussi leur emboîter les pas. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société en totale crise des valeurs. Toutes les vertus cardinales qui soutiennent notre société sont bafouillées. Aujourd'hui, c'est la loi de l'argent, du plus riche. Et c'est la facilité, la mhm. quête des gain facile. De nos aïeux à nos parents, et jusqu'à la nouvelle génération, c'est en réalité une crise des valeurs qui en réalité contribue à exacerber nos mœurs mhm. C'est la base de laquelle notre société était fondée depuis belle mhm. Donc c'est pourquoi je dis à l'État de prendre ses responsabilités mhm. en laissant la justice faire son travail régalien et institutionnel et à tous les acteurs de la société civile l'association des parents d'élèves et tous les syndicats des enseignants ainsi que l'ISN, de collaborer, créer les conditions d'une synergie d'action pour combattre ces fléaux qui risquent d'avoir des répercussions énormes sur l'avenir de notre pays. Parce que l'éducation est un domaine sensible, est un domaine qui donne dépendra même la survie de notre nation. Donc on ne devait pas en réalité laisser des travers entacher ces secteurs combien de fois importants. C'est pourquoi nous, nous sommes convaincus que nous ne sommes pas en réalité en train d'encourager une quelconque médiocrité, même si par ailleurs nous sommes interpellés par le devoir de défendre jusqu'au bout les intérêts matériels et moraux de nos militants, mais cela ne veut pas dire que nous soutenons nos militants pour une quelconque médiocrité ou qu'ils une quelconque violation de la loi. Mais ce que nous disons, mhm. c'est évident de le dire, surtout dans le contexte actuel qui traverse notre pays, mhm. c'est de dire évidemment que cette loi, mhm. elle doit s'appliquer à tous. Et tous ceux qui peuvent être impliqués dans ce genre de magouilles, dans ce genre de pratiques corruptives et vénales, c'est qu'ils doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux compétents et à la justice de faire son travail. Parce que nul n'est au-dessus de la loi par ailleurs, même si par ailleurs il y a ce qu'on appelle entre griffes des intouchables. Yusuf Arzika de l'assaut e EPT. Les fraudes au cours des examens gagnent du terrain en ces dernières années. Euh, qu'est-ce qui explique cela Vous savez, la question des fraudes et des tricheries au niveau du système éducatif ont pris de l'ampleur euh, dans les années 2000. Euh, et si je parle des années 2000, c'est autour des années 2003, 2004, 2005 que véritablement ça s'était ébruité. C'est mhm. pas parce que ça n'existait pas, mais ça s'était ébruité vers ces années-là où il y a eu l'arrestation de 22 de nos collègues à l'époque et donc actuellement la moitié donc euh, n'est pas encore réhabilité. Mhm. Et chose grave, chose grave, et c'est le politique qui est malheureusement encore indexé ici, mhm. c'est que lorsque l'enquête a été poussée plus loin, mhm. après que nos camarades, pour des mesures soi-disant conservatoires et administratives, on les a mhm. suspendus en attendant la fin de l'enquête, alors que les enfants des Nanti et les qui étaient impliqués dans ces, ces fraudes n'ont pas été inquiétés un seul instant. Alors, euh, l'enquête poussée par la gendarmerie a détecté qu'au haut niveau, mhm. il y a des hautes personnalités et leurs enfants qui étaient mhm. impliqués dans ces fraudes-là, qui avaient déjà amené l'administration à prendre des mesures contre nos mhm. collègues à l'époque. Mais l'enquête s'est arrêtée là. Elle aurait été quand même équitable même s'il ne faut pas croire à l'équité quand il s'agit de politique, il aurait fallu au moins que eh, les ministres impliqués, les dames impliquées et leurs enfants puissent aussi subir ces mêmes mesures conservatoires pour respecter quand même euh, un peu le principe que nul n'est au-dessus de la loi. Mm-hmm. Et depuis lors, le Sénat, parce que c'était le Sénat, à l'époque c'était des militants de notre syndicat, mm-hmm. on s'est battu pour que les camarades soient repris. On a pu avoir gain de cause pour la moitié, mm-hmm. et à peu près 11 je crois, maintenant l'autre dizaine. Et depuis lors, vous avez vu ce qui est arrivé. Ce n'est même plus la faute aux examens, c'est la vente des diplômes. Karamiko Baba, à Parce qu'il y a eu l'impunité. Parce qu'on a préféré couvrir des individus mhm. pour ne pas les, mettre mal à l'aise par rapport à leur confort eh, utopique souvent mhm. et même insolent. Et, ben voilà, la situation s'est dégénérée et on s'est mis à ne même pas faire les examens fraudulés, mais à avoir des diplômes sur les marchés, mhm. s'il vous plaît, des diplômes fabriqués, moyennant de l'argent. Donc, c'est devenu un phénomène du, du, fait qu'il n'y a pas eu de, de bons exemples. Maintenant, Mhm. Qu'est-ce qui amène la fraude Vous savez, il y a l'envie de mhm. voir que ah, l'enfant de l'autre ou mon ami, il a pu passer, moi je n'ai pas pu passer. Il faut que je me débrouille pour le faire. Ce qui a amené l'autre, la fraude aussi, qui a un peu contribué à exacerber la fraude, c'est les postes politiques. Mhm. Vous voyez, quand vous avez eh, du monde derrière vous, vous n'avez pas les niveaux nécessaires pour être nommé, on se débrouille pour avoir des diplômes qu'on n'a pas. Et vous allez voir des illettrés dire qu'ils ont un master, des mhm. illettrés dire qu'ils ont une licence, des illettrés dire qu'ils ont un privé. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir un grand électorat dans votre commune mhm. et c'est vous peut-être le, plus grand politicien, mais vous êtes un illettré. Mhm. Vous avez les moyens, mais vous êtes un illettré et vous voulez la mairie. Qu'est-ce qui se passe On va en acheter Karami, donc les BPC. <laughs> et là vous êtes éligible au poste de maire. Ça a exacerbé. Maintenant, les postes de nomination. Des gens veulent aller à des postes, ils n'ont pas les diplômes. Ils se débrouillent avec certains établissements. Ils se débrouillent avec certains informaticiens. On leur concote des diplômes. Nous l'avions dit à l'époque, il mhm. faut serrer les diplômes. C'est facile pour un État. Chaque diplôme qui sort a son mhm. identité. Mhm. Alors dès que tu te présentes, il a un numéro. Concours un ordinateur, on n'avait pas besoin de l'Internet à l'époque pour le faire. Un ordinateur bien gardé dans le ministère peut bel et bien permettre de reconnaître tous les diplômes. Ça n'arrangeait pas les politiques. Donc ils ont donné un mauvais exemple. Du coup, la fraude et aux examens a eu une certaine hernie et est sortie pour s'épandre sur la société parce que le diplôme était devenu plutôt eh, pas un mérite, mais juste un moyen, oui, <laughs> un moyen, une, clé, le sésame pour accéder à des choses qu'on ne mérite mhm. pas. Maintenant, à l'interne, mhm. pourquoi les élèves se mettent aussi à chercher à frauder C'est qu'il y a un problème des niveaux. Mhm. Le système éducatif, dans son pilotage par le politique, il faut le dire, aucun enseignant ne gère le système éducatif, aucun élève ne gère le système éducatif. Aucun professeur d'université ne gère le système éducatif. La politique Mm-hmm. de la gestion du système éducatif incombe uniquement au gouvernement. Maintenant, le travail de synergie pour que le système éducatif soit un système éducatif fiable mm-hmm. incombe à tout le monde. Mais le pouvoir régalien de gérer le système éducatif, et de décider de son sort, mhm. revenait aux politiques, qui n'a pas su en faire une priorité, même s'il le chantait et qu'il le mettait sous forme d'article dans les lois, en réalité c'était de la poudre aux yeux, c'était du badigeonnage. C'est comme quand les Jeux olympiques de 2000, je sais pas si 2005 qu'on les a reçus ici, lorsque le politique, pour émerveiller les étrangers mhm. qui allaient venir, avait badigeonné l'extérieur des murs, même pas l'intérieur, juste l'extérieur des murs. Alors que dès qu'on entre dans les écoles, déjà quand vous faites face le mur est vilain, à l'intérieur c'est sale. La politique nigérienne a consisté à cela, marzon y compris dans l'éducation, le faire semblant. Il faut que de dehors on sente que ça marche. Ce qui se passe à l'intérieur n'intéresse personne. La situation s'est dégénérée et la de se généraliser l'impunité aidant, on est devenu un système éducatif frauduleux et à coup de, de, médias, à mhm. coup de bruit, à coup de, mauvaises publicités pour, pour l'éducation. Maintenant, est-ce qu'il y a une belle inspiration Effectivement, le, camarade de l'ISN mhm. a dit qu'ils sont en mal d'inspiration. Oui, vous n'avez mhm. pas un bon répertoire d'inspiration. Moi, j'ai eu à le Malheureusement, aujourd'hui, être un ministre est synonyme de quelqu'un qui est placé pour s'enrichir. Et je vais vous dire, même dans les fadas, être bien placé veut dire que c'est juste un grand voleur. Tu as ton gros boubou et ton bonnet bien penché à l'oblique. On dit, kai. On sait, on connaît les langages. Or, à un certain moment, on voit plutôt l'autorité. Maintenant, on voit un homme aisé. On s'en fout de ta dignité, on, ne regarde pas ta, ta, ton intégrité et ta probité. Non, on voit quelqu'un qui est aisé et qui a la main dans la gamelle. Il peut prendre comme il veut. Mais notre système social, malheureusement, est aussi basé, il faut le dire, ça encourage la, la corruption. Notre société encourage la corruption. Quand tu es bien placé et que tu n'arrives pas à thésauriser, on va dire que c'est un maudit, Zakar, Zakane. Regarde là où on l'a placé, il n'a même pas de maison. Juste parce qu'il s'est contenté de ce qu'il a. Une telle société ne peut vivre en dehors de la corruption. Donc il a un travail, c'est vrai, de sensibilisation à enfin, même si moi, Vraiment, je suis en train de cesser de croire au format classique de la sensibilisation en ce qui concerne certains aspects de la vie. Il faut la coercition, il faut la contrainte, il faut la loi, il faut la chicote. ces fraudes, on ne peut pas les arrêter si on ne revient pas à la loi. On ne peut pas l'arrêter tant que aussi la loi n'est pas égale en haut, au milieu comme en bas. Que représentent nos dirigeants Qu'est-ce qu'il inspire à la jeunesse aujourd'hui Ce qu'il a dit est plein de sens. Et c'est profond comme problème d'éthique au Niger, de l'ensemble du Niger. les grands n'inspirent pas les petits à bien La responsabilité se, trouve donc au, niveau de l'État en tout cas, il y a une grande responsabilité à la, en fait, mhm. la faille originelle. Mhm. La faille originelle vient de l'État. Quand vous regardez les films de, mhm. science-fiction, on dit ah, on a fait une faille dans le magma, un monstre est sorti. Cette faille-là, c'est l'État qui l'a créé. Si des monstres sont sortis de sous terre, c'est que c'est effectivement le politique qui a créé cette faille-là. Mhm. Pourquoi Parce que lui-même, il le fait. Et ensuite, il couvre les, les, les, faussaires à travers l'impunité sous prétexte qu'on a le pouvoir. Donc, je peux dire que mhm. c'est eux qui ont ouvert euh, la faille pour que les monstres sortent. Et maintenant, mais écoute, vous savez, il y a un proverbe euh, en qui dit que « c'est ça. Parce que vous savez, il y a toujours ce qu'on appelle la dominante dans un troupeau de vaches ou le dominant dans un troupeau d'animaux. De, Là où le premier va, les, autres vont le mhm. suivre. Et malheureusement, nous avons eu des dévanciers de, à une certaine époque qui ont rompu avec l'éthique, la dignité, la probité. Nous, on a beau dire aux élèves moral, moral, moral, ils vont <laughs> penser que c'est un cours comme l'autre. On apprend, on vient, aux récite et puis c'est fini. Voilà, il se le temps est contre nous. Nous passons donc à la deuxième partie euh, du forum euh, qui porte euh, sur les voies de sortie. L'âge Yaye. Malgré donc les dispositions prises par l'État dans l'organisation de ces examens, les fraudes et les tricheries étaient à la une des médias et des réseaux sociaux cette année. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des insuffisances dans l'organisation de ces examens Moi, je pense que l'organisation des examens, toute la chaîne est à revoir parce que c'est l'État qui organise les examens. Et parfois, vous savez, la fraude commence avant même les examens proprement dits. Parce que les épreuves euh, sont gérées au niveau de ces ministères. C'est eux qui préparent ces épreuves. C'est eux qui les multiplient. Mais malgré tout, on arrive parfois à voir des gens qui arrivent à subtiliser des sujets dans ces épreuves-là qui ont été préparées et à les ventiler sur les réseaux parfois mhm. avant même la date des examens. Ça, l'État doit voir comment régler ce problème. Si c'est au niveau de la multiplication des, sujets et mhm. autres, si c'est telle ou telle direction qui a failli, l'État doit prendre des mesures pour éviter, en tout cas, qu'il y ait fraude à ce niveau-là. Maintenant, mhm. De l'autre côté, je pense aussi qu'il faut voir le côté des enseignants. Ils font de leur mieux, mhm. ils font beaucoup d'ailleurs, et beaucoup vivent dans une situation économique précaire. Quand quelqu'un euh, <laughs> n'a même pas euh, les 500 francs pour manger et qu'il a la possibilité d'avoir 100 000 francs tout de suite, en tout cas, il lui faut une bonne dose de dignité et de bonne foi pour ne pas être tenté à frauder. Les enseignants doivent être vraiment, il faut voir comment les rémunérer beaucoup plus que ce qu'ils ont présentement. Et Fred Hassan, membre donc euh, de l'USN, est-ce que cette année il y a eu des insuffisances dans l'organisation des examens Les insuffisances, il y en a eu autant. C'est pourquoi euh, nous sommes là même en réalité parce qu'au niveau de l'OBN, il faut dire que c'est la première fois qu'il euh, mhm. y a eu l'expérimentation du système en ligne des, dépôts de bac, les inscriptions, ainsi que même la diffusion des résultats du baccalauréat notamment par l'Office du baccalauréat du Niger qui est sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Euh, il y en a eu autant de difficultés, notamment les, difficultés en amont que nous, nous avons décelées, c'est surtout au niveau des dépôts, de, l'inscription des candidats. Mhm. Si vous avez constaté, c'est cette année depuis trois ans ou quatre ans qu'il y a eu moins de candidats au baccalauréat, contrairement aux trois dernières années. Parce que beaucoup, les mécanismes d'abord euh, de des, dépôts en ligne n'ont pas été respectés. Il y a eu beaucoup de mafias. Je parle ici d'inscription. Mhm. Il y a un arrêté qui fixe les frais d'inscription des candidats au baccalauréat. Un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur qui les fixe à 1500 les candidats euh, officiels. Mhm. Et il y a des écoles et des fondateurs d'écoles, ainsi que des proviseurs, même des établissements publics, qui ont ouvert, et en complicité souvent avec l'OBN, mhm. qui ont ouvert des checkpoints pour, c'est-à-dire des kiosques en, collaboration avec les télécentres, pour avoir 10 000, prélever 10 000 francs c'est sur un candidat. Moi, j'ai vu beaucoup de cas à Niamey, mhm. notamment dans les quartiers aéroports où on a prélevé 7 000, 10 000 francs, un seul candidat. Imaginez un parent qui a trois candidats, elle va payer 30 000. Alors qu'il y a l'arrêté qui est là, mhm. l'OBN ne l'a pas diffusé sur sa page. Et nous étions partis, nous sommes allés pour voir l'OBN. Les, L'OBN mhm. a décliné sa responsabilité. Et après, nous nous sommes rendus compte que l'OBN était impliqué surtout par des agents privés des téléphonies mobiles. mobiles Les agents mobiles dans les quartiers qui recensent les baccalauréats, c'est un diplôme important. Mhm. Qui prennent les, papiers, les dossiers des, candidats mhm. et ils donnent 10 000, 15 000 francs. Et après, il y a l'OBN à sa part dans cette mafia. Et c'est pourquoi il y a eu au préalable des difficultés. Maintenant, de l'organisation du baccalauréat lui-même. C'est vrai, cette année, il faut s'en féliciter. Mm. C'est en réalité à l'actif, pas mm-hmm. seulement de l'OBN, mais de tous les acteurs mm-hmm. et principalement des structures euh, de la société civile, des mm-hmm. syndicats de l'éducation et même de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fuite qu'on a connu de par les temps, il n'y a pas eu ces phénomènes de fuite et c'est par ailleurs à féliciter, mais il y a eu autant d'états qu'il faudrait réparer pour les mhm. le futur. C'est-à-dire, il y a des correcteurs qui ont été recrutés qui ne sont même pas des enseignants. Nous sommes témoins. Mhm. Nous sommes témoins des correcteurs qui ont été recrutés qui sont des étudiants, des civicards. On les amène un correcteur qui n'a jamais enseigné la terminale ou qui n'est pas habitué à enseigner mathématiques ou philosophie. Comment pourrait-il corriger en toute éthique et déontologie la copie d'un candidat Mais parce qu'il a passé par d'autres canaux, mhm notamment en contrepartie de quelque chose, ils ont été recrutés principalement dans les centres urbains. Il y a aussi la question à ligne de la numérisation du baccalauréat. Cette question doit être améliorée parce que beaucoup de candidats ont vu leur nom apparaître sur la plateforme numérique créée de l'OBN. D'autres, dès qu'ils partent réclamer, ou bien ils partent au niveau de l'affichage, on voit leur nom. Et d'autres, ont leur écrit refusé, ils viennent, ils voient leur nom au niveau des jury. Et je pense qu'il y a un sérieux problème. C'est vrai, peut-être c'est euh, des gens d'une autre génération qui gèrent en réalité cette question de numérisation, surtout que les nouvelles technologies de l'information sont euh, de la nouvelle génération. Je pense qu'il est important de recruter des agents qui sont qui s'y connaissent dans les domaines et afin ou de sous-traiter avec des sociétés de télécommunications pour que dans l'avenir, nous ne puissions pas nous retrouver dans ce genre de mauvaise euh, mauvaises pratiques. Parce que ça crée un véritable problème à notre niveau. Aujourd'hui, même ce matin, il y a des camarades qui nous ont appelés. Mhm. Ils ont les mêmes problèmes. Certains, on leur dit qu'ils ne peuvent pas, ils doivent attendre jusqu'à l'année prochaine. Alors qu'on les a, ils ont la fiche, ils ont la, la, euh, euh, la photo de leur nom. Et leurs parents sont avec eux ils nous disent comment faire. Et l'OBN n'a pas une solution. Les jurys, chacun est retourné chez lui. Et, ils ont vu leur nom sur les premières fiches à fiches. Sur la plateforme, ils n'ont pas vu leur nom, mhm. vice-versa. Soit on voit son nom sur la plateforme et on ne voit pas son nom. Vous voyez, donc, entre autres, il y a beaucoup de difficultés qu'il est important de euh, Oui, et aujourd'hui, euh, comment faut-il faire pour améliorer euh, cette situation La première des choses, on l'a demandé, c'est d'auditer l'OBN l'OBN devait être audité comme toutes les autres institutions de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau contexte. Pour notre pays, il est important de moraliser la gestion des affaires publiques. Il faut que ça soit une éthique pour nos gouvernants, pour nos administrateurs. Il faut que chacun qui puisse avoir une responsabilité minime soit-elle, qu'il puisse en avoir en conscience de la redevabilité et de l'imputabilité qu'il a à l'égard de l'État. Mais si on va laisser des choses se passer, c'est-à-dire on va se retrouver toujours à la case de départ et c'est des lamentations. Et nous allons revenir encore à la case départ. Ce qui est important, d'abord, c'est d'auditer l'OBN, la gestion des examens, mm-hmm. d'auditer tous les services qui font les baccalauréats, euh, les, les, examens, notamment l'ONEX, ainsi que bien d'autres. les, les BEPC, voir dans quelle mesure aujourd'hui aussi moderniser les cadres normatifs et institutionnels d'organisation du BEPC pour qu'ils puissent avoir la crédibilité qu'il faut. Et à long terme, voir dans quelle mesure aussi ramener les CFEPD qui n'est plus et qui cause aujourd'hui véritablement mhm. beaucoup de préjudices à notre système éducatif. Isfarzika, comment faut-il améliorer l'organisation des examens au Niger Merci beaucoup. Mhm. Je tiens à ajouter que le phénomène qui a surgi ces derniers temps et qui est extrêmement grave, qu'il ne faut pas négliger, mhm. c'est la question justement de la correction des copies. Et lorsque on avait commencé à dénoncer la désignation complaisante des correcteurs, avec les détails que Fred a donnés, je vous assure que on nous a appelé en, en réunion au ministère de l'enseignement supérieur et autour du ministère, il y avait les syndicats du supérieur, les syndicats du secondaire, il y avait aussi donc euh, l'OBN. Je peux vous assurer que les échanges ont permis effectivement de déceler mhm. l'existence réelle, qui n'est pas forcément une imagination, mais l'existence réelle de ces mauvaises pratiques. Mhm. C'est vrai, l'OBN s'en était défendu, c'est normal aussi, on peut le comprendre, parce que il ne peut être qu'un terminal administratif. Mhm. Dans la procédure de, de la désignation, il y a un processus en amont qu'il ne maîtrisait pas. C'est pourquoi aussi, il faudrait que puisque sachant bien que ça peut entacher l'organisation de l'examen dont il a les responsabilités, mhm. on aurait pu en amont aussi prendre des mesures pour que ceux qui allaient être désignés à partir des établissements puissent être aussi identifiés comme étant des enseignants capables de corriger mhm. et qui avaient déjà tenu des classes d'examen. Que des proviseurs et des censeurs aillent corriger, ce n'est pas grave parce qu'ils ont aussi l'obligation d'avoir, je crois, à peu près 6 heures de classe. Et il se peut qu'un proviseur alors se retrouve à enseigner la terminale toute l'année ou un censeur aussi s'y trouve à le faire. Pour ceux qui ont enseigné les terminales, qu'ils soient administrateurs, c'est pas un problème. Pour ceux qui n'ont pas tenu des classes qui ont passé leur temps à gratter les papiers toute l'année, et des enseignants qui font par exemple SVT et qui partent corriger maths, sous prétexte tout simplement que non, non, la correction elle est simple, vous avez les bons résultats et vous avez le barème, il suffit de regarder et de se conformer. Non, la correction c'est une science, c'est un art, c'est un savoir-faire c'est une certaine susceptibilité à ce que l'élève, le candidat écrit. C'est être sensible à l'effort de l'élève, pas simplement l'aboutissement. La science elle-même s'est trompée combien de fois pour revenir reprendre son processus mhm. Laisse qu'on constate, à plus forte raison, un élève à qui on a appris juste une compétence, il a essayé de la réinvestir sur une copie, qu'on pense que non, non, il faut oublier tout ce qu'il a fait dans le processus et venir juste au niveau des résultats. Si c'est bon, on met les barèmes, si c'est pas bon, je crois qu'il y a une science de la correction qu'on appelle la docimologie, la science de l'évaluation. Et il y a des docteurs en docimologie. Il y en a ici au Niger. Il y en a et ils savent de quoi je parle. Mhm. On ne vient pas corriger c'est pas mécanique la correction. Mhm. C'est un art, c'est une compétence. Et c'est pourquoi, sous forme de nous pensons que tous mhm. les enseignants mhm. doivent être formés un peu dans la notion de la docimologie avant qu'ils aillent enseigner. Parce que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait cette année, c'est des collègues, c'est des enseignants, enfin, ou des soi-disant enseignants. Parce que moi, quand un enseignant est incompétent, je suis d'accord qu'on l'appelle enseignant. Mais quand un enseignant n'a pas de moralité, il n'a pas d'éthique, il n'a pas d'idéontologie. Quand on fouille bien, <laughs> il est venu en imposteur de l'éducation juste pour trouver son gain. Et c'est des gens qu'on ne peut pas transformer en enseignants. Si après 50, tu ne prends pas et tu ne t'amourages pas, tu ne te prends pas d'amour par rapport à l'éducation, par rapport au métier d'enseignant, tu ne peux pas devenir enseignant. Euh, tu peux venir en n'étant pas enseignant. tu venir en n'étant pas enseignant, mais à force de pratiquer, tu prends goût et tu continues. Alors, donc, ces pratiques-là, il faut qu'on fouille. Mhm. Parce que vous savez, il y a des correcteurs qui ont porté des notes sur les copies sans avoir regardé la copie. Et des parents sont en train de réclamer. Des élèves ont eu des réclamations sur une seule matière, ils ont passé au premier groupe. Des élèves qui étaient sur deux ont eu des réclamations sur SVT, par exemple, ils ont passé au deuxième groupe. Et pour les autres, ça veut dire qu'il y a tant de victimes silencieuses et miettes, et, causées par tout simplement l'inconséquence de certains correcteurs et la complaisance avec laquelle on a amené certains à gagner de l'argent plutôt qu'à corriger. Aujourd'hui, ces victimes-là, leur avenir académique est compromis et peut-être même leur avenir social est remis en cause. Et qui sait combien de dirigeants le Niger en train de perdre parce que tout simplement, on a amené des correcteurs en conséquence. Il faut qu'on revoie les textes par mhm. rapport à cette affaire de réclamation. Mhm. Quand tu fais ton travail, tu as le droit de regarder comment tu l'as fait. Parce qu'on te sanctionne sur la base du travail que tu as fait. Mhm. Il ne faut pas qu'on donne, en tout cas, la possibilité à, des, à, des, à, des, à certains individus inconséquents d'émousser l'avenir d'un candidat. Parce qu'ils sont, ils sont parvenus et on ne sait comment pour la solution, je vous assure, c'est le respect de la loi. Mhm. C'est aussi de, prendre, par exemple, la numérisation du, processus d'inscription. L'OEBN aurait pu faire une simulation avant d'aller directement, de se jeter des deux pieds dans la mare. Mhm. On aurait pu faire une simulation et détecter les failles et prendre des mesures palliatives mhm. pour les cas cités, effectivement, où certains, même après la correction, se retrouvent sur la plateforme et ils ne sont pas sur les listes ou vice-versa. Ou que ceux qui ont raté leur inscription, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu s'inscrire. Il y en a qui n'ont pas pu prendre des mesures palliatives pour toutes ces insuffisances-là qu'on aura détectées pendant la simulation, ce qui n'a pas été fait. Mais soit il faut aller dans la il ne faut pas le chanter. Nous sommes d'accord parce que ça, ça fait intervenir moins l'être humain, donc moins de complaisance, moins d'insuffisance. Maintenant, pour éradiquer la, fraude, il faut aussi sensibiliser les enseignants. Il faut sensibiliser les élèves. Il faut, il faut sensibiliser, d'accord, mhm. mais il faut mettre la loi il faut mettre la loi, la loi en action. Il faut exiger tout simplement que quand les examens vont commencer du début jusqu'à la fin, en tout cas, et que tout celui qui compromet la bonne marche de ces examens-là subisse les rigueurs de la loi. Il faut former les enseignants. Il faut ramener la, déontologie dans l'éducation. Mais il faut aussi éviter de stigmatiser. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intervention d'un certain nombre d'entités, qui était venu faire l'arbitrage dans les examens, on a dessaisi l'enseignant de son rôle. J'ai vu des non-enseignants proclamer les états devant les candidats pendant que les enseignants étaient mis de côté. J'ai vu prendre le téléphone de l'enseignant au même titre que l'enfant qu'il éduque à longueur de journée pour lui dire évite d'être mauvais, évite euh, euh, la fraude, évite. On vient, on dit devant l'enfant que ton enseignant, la maman n'est pas d'accord avec lui. Il y a des enseignants qui sont blessés dans cette façon de faire. Il faut remettre à l'enseignant son intégrité avant Mhm. cette euh, émergence de la fraude, parce que c'est une émergence malheureusement, mhm. il faut reconnaître que les anciens organisaient des examens propres. Mhm. Il n'y avait pas la police, il n'y avait pas la Halcia, il n'y avait pas même, c'est vrai, il y a une dégénérescence du climat qui a fait qu'il faut intervenir des arbitrages maintenant. Mais il faut que aussi les arbitrages interviennent en n'émoussant pas l'intégrité et l'image des enseignants. On ne dit pas que les enseignants sont propres. Mhm. Je viens de dire qu'ils ont fait du mal. Mais ils vivent aussi dans des situations intenables mhm. qui ne les met pas à l'abri de la petite tentation. Quand tu quittes chez toi, la marmite n'est pas posée. Le petit est malade du palais, tu n'as même pas de quoi acheter le paracétamol. Il va de soi pour sauver ton enfant que tu fasses des choses qui ne sont pas correctes. Mais je crois que si le minimum est donné aux enseignants nigériens, comme il l'est quelque part dans les pays de la sous-région, je suis sûr que l'enseignant nigérien peut redevenir ce qu'il était auparavant et faire faire des examens propres C'est l'intervention d'aucun arbitre. Maintenant, les fraudeurs en haut, les, gros gabarits mhm. qui fraudent et qu'on laisse impunis. Moi, je crois que cette affaire de synergie de la société civile doit se mettre en place pour exiger un mécanisme répressif répressif sans exclusion de tout celui qui serait amené de haut jusqu'en bas à compromettre les vrais résultats des examens. Voilà, euh, nous sommes presque à la fin. Nous entamons donc rapidement la troisième partie euh, du forum consacré aux mesures préventives contre euh, la fraude en milieu scolaire, notamment au cours des examens. Il El Haj Yakoubayaye, membre donc du bureau régional euh, de l'association des parents d'élèves au titre de la région de Niamey. Comment prévenir euh, efficacement les fraudes euh, afin donc d'éradiquer ce fléau qui entache la crédibilité des diplômes nigériens Merci, madame. comment éviter les fraudes aux examens Nous savons très bien que les examens sont organisés par l'État ici au Niger. Et comment éviter les fraudes. De la préparation jusqu'à l'exécution même des examens, il faut revoir toute la chaîne. Parce que si on prend un seul maillon de la chaîne, on traite, ça ne va jamais régler le problème. Donc on voit toute la chaîne. Mm-hmm. Les épreuves, pour commencer, comment, comment les épreuves sont choisies mm-hmm. et ceux qui sont chargés de les choisir, comment sécuriser ces épreuves-là. Ensuite, pendant les examens, comment éviter dans les salles que des copies, autres que les copies qui, sont là, puissent circuler dans la salle. Et à la fin, les corrections, comme les collègues l'ont dit, un seul euh, correcteur. Bah, il y a beaucoup d'enfants, certainement, qui, qui sont même peut-être admis à ces examens, mais qui ont été recalés. Tout simplement parce que le correcteur a porté euh, une mauvaise note et il n'y a aucun moyen de contrôler si c'est pas l'enfant qui vient réclamer. Et parfois, même si l'enfant vient réclamer dans certains centres, le délai déjà est passé. Mm-hmm. Donc, pourquoi ne pas avoir trouvé un mécanisme pour que quand tu corriges là, tu corriges mal, que tu sois sanctionné. Toi, correcteur. Il faut bien que l'État pense à tout, à tous ces aspects-là. Je crois que si on essaie de voir, de revoir toute la chaîne des examens, nous avons des, des, gens compétents qui peuvent réfléchir sur ça et qui peuvent nous amener en 24 heures vraiment des solutions idoines dans ce domaine-là. Et Fred Hassan, chargé à la presse à l'USN, euh, comment prévenir efficacement les fraudes au Niger Pour prévenir ces fraudes, en réalité, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur et surtout ne pas être complaisant. Mhm. Il faudrait que l'État assume sa responsabilité régalienne, qu'il puisse assurer une bonne organisation et mettre à la place qu'il faut les mhm. acteurs qu'il faut qui sont véritablement compétents. Et il va falloir surtout euh, cultiver une pédagogie de l'exemple. C'est ce qui manque dans notre pays, mhm. surtout au niveau de l'éducation. Il va falloir instaurer un contrat de performance mhm. éducatif qui puisse permettre de promouvoir la qualité et de sanctionner mhm. ceux qui en seront les récalcitrants. Parce qu'il faut toujours encourager les meilleurs et réprimer ou sanctionner celui qui ne l'est pas pour promouvoir toujours la qualité, ce qui ne se fait toujours pas jusqu'à preuve du contraire je pense qu'il est important aussi pour tous les acteurs, surtout qu'il y a aujourd'hui un point d'honneur qui est mis par rapport à l'éducation de notre pays. C'est pourquoi au niveau de l'ISN, nous exigeons en réalité la convocation des États généraux de l'éducation au mhm. Niger au regard de tous les travers dans ce secteur pour que tous les acteurs, ensemble avec les gouvernants, mhm. puissent se retrouver, réfléchir, diagnostiquer et faire une radioscopie totale de notre système éducatif nigérien qui est en réalité euh, mise au banc de l'histoire. Je pense qu'il est important pour tous les acteurs de mm-hmm. concourir à la bonne éducation de la nouvelle génération parce que c'est de cela qu'ils honoreront leur devoir de génération. Nous sommes donc à la fin euh, du forum euh, sur les fraudes aux examens en République du Niger, comment gérer et prévenir les cas. Nous étions en compagnie de Issoufou Arzika, vice-président ASSO EPT, El Yakouba Yaye, membre donc du bureau régional des parents d'élèves au titre de la région de Niamey, et Fred Hassan, chargé à la presse à l'USN. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la réalisation Mustapha Ayouba, la technique Issa Lawali. Merci donc à nos invités. Le programme continue sur le studio Kalombo.